sur et Foot TV. Bienvenue dans votre entreprise 3M Menuiserie Métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs liés à établir pour la bière. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous Warlen le actif, Vous voulez des rampantes d'escalier, des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala sax et plateau télévision notre entreprise troisième fabrique tout ceci wax nañu les ko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

Tijan. Je salue la présence de mon ami, mon jeune frère, le très talentueux maire Mamadou Diara, maire de Pékin, euh, de la commune de Pékin Nord. Merci mon très cher ami. Son di nuyu également les partenaires yi nga xamante ni fekk si nañu ci bés bi pour accompagner ñu muy lu am solo parce que bés bi dinaa ci dellu si buñ koy sos di am yéene pour def ko defe naa liñ ci bëggoon lii la mooy andi ñi nga xamante ni seen liggéey laaj na ñu xamal ko jeunesse bi yeggee leen ko

Donc oui, koy teg ci def sinon tu fais du pilotage à vue da ngay tâtonner te tâtonner tu n'avanceras pas tu feras du sur place donc petit lim Promoville Promoville programme de modernisation des villes du Sénégal c'est un travail à Promoville ñu ngi changé xar les ville villes ci Sénégal puis qui bénéficier wu na ci euh, ils ont formé les jeunes, ils ont formé énormément de jeunes, des milliers de jeunes. Formé leen fabrication à pose de pavé jeunes yooyu ñu formé jeunes yooyu la employé pour poser les pavés Des jeunes une Pikine am na ci lu bëree bëri Guédiawaye am na ci lu bëree bëri Banlieue am na ci lu bëree bëri. Euh, may wax tamit ci foofu Les Promoville am nañ un euh, programme d'urgence pour le président de la République dénk. Nous avons recruté tax ñu recruter lu ëpp 1500 personnes donc loo nga xamante ni la euh, stand de nii Nous avons parlé de pour mun a def seen demande ainsi de suite C'est une mbir la seen mbir la donc nous avons fait ba ci ngi gërëm la coordonnatrice nationale Mme Sow Astou Diokhané di gërëm Cheikh Meng donc ni elle a été empêchée de m'appeler très tôt le matin Cher mon ami, je combien je suis en extase après une longue période d'hibernation de revenir ici. Ici, dans ce camp sportif et culturel qui est l'arène nationale du Sénégal, mais basé ici en banlieue dans le département de Pékin, mais précisément dans la commune phare de Pékin Nord dont l'insigne honneur de diriger. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir cette manifestation ici dans notre commune, initiée par un homme, Rafaï, cher ami. Je cogite pour qualifier cette manifestation depuis tout à l'heure, étant assis, Pensez, tournant vers le couchant pour trouver les mots pour qualifier l'acte l'activité. Mais merci Parfait, vous m'avez donné les mots. Cher est un homme visionnaire, vous l'avez dit. Non seulement il est visionnaire, mais il a une vision pragmatique du développement. Ce qu'il a compris au Sénégal, en Afrique et dans le monde, c'est une aberration de parler. Euh, mooy que ak euh, fii jamono toll euh, di saluer de passage Abdou Salam Mbaye le coordinateur de Rewmi ji de Thiaroye Kaw mi nga xamante ne ni suñ teewaay moom moo ko waral ndax kii di Cheikh Ahmed Tidiane Thiam di xaritam ñu seq lu bari tey nag di bis bu am solo parce que ku ne vraiment forum boo xamante ni l'emploi de la jeunesse lañ ciy wax ak ni ko son excellence monsieur président woote donc Cheikh Ahmed Tidiane bu wootee pour la jeunesse de la banlieue vraiment sunu teewaay dafay war en tant que jeune. en tant que acteur de développement ànd ak Abdou Salam Mbaye nga xamante ni loolu danga ko loolu mooy suñu teewaay tey fii ci euh, stade bi. ndax président Abdou Salam Mbaye di suñu coordonnateur dëkk Djiddah Thiaroye Kaw. que dans la banlieue vraiment di def une politique de développement di les jeunes di les femmes donc bu àndeek ñun ñëw fi ci forum de la jeunesse pour la banlieue donc ñëw na fi mu ñëw ak ci xaritam le docteur le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Cham kon donc lool dal dañ koy rafetlo di saluer di saluer initiative bu mel nonu tamit di wax ne rek na ñëpp topando acte yu mel parce que vraiment jeunes yi tey ñoo wara l'espoir de la nation de demain kon donc initiative yu saluer je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours en wolof la participation du ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion à ce type de rencontre notamment ce forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat de la banlieue j'allais dire c'est une obligation pour nous-mêmes parce que comme je l'ai dit le forum a une mission de service public comme vous le savez, l'État a mis en place beaucoup de dispositifs d'accompagnement, que ce soit de formation dans des métiers, de formation vers l'entrepreneuriat, mais surtout de financement, souvent qui ne sont pas connus des jeunes. En organisant ce forum, euh, l'initiateur du forum, le coordonnateur euh, M. Cheikh Diane nous donne l'occasion, nous, au service de l'État, de, venir présenter les dispositifs que nous avons. Effectivement, nous les avons écoutés et comme il l'a dit tout à l'heure, je pense que les préoccupations des jeunes relèvent plus d'une méconnaissance des dispositifs que de l'existence même de ces propres dispositifs qui, existent et qui sont bel et, bien sur place. je citerai l'exemple, le dernier, à savoir les pôles pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes que le président de la République a décidé de mettre au niveau de chaque département. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de services de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, éparpillés un peu partout sur l'étendue du territoire national qui interviennent dans l'insertion, l'accompagnement dans des métiers vers l'entrepreneuriat et le financement. Le président de la République a demandé à travers ces pôles que tous ces services-là soient regroupés dans un même lieu. Et là, il a inauguré le pôle de Kafrine, tout comme le pôle de Thiès, tout récemment, et le pôle de, de Matam. Il y a d'autres pôles qui sont en train de sont en train de fonctionner et qui ont été...